Chers auditeurs des médias partenaires du studio Kalangou, bonsoir et bienvenue dans le forum de ce soir. Comment renforcer la paix et la cohésion sociale dans les localités impactées par l'insécurité au Niger est notre thème de ce soir. Le Niger reste confronté 62 ans après son accession à la souveraineté internationale à plusieurs défis, notamment sur les plans éducatifs, climatiques, humanitaires, sanitaires et surtout sécuritaires. Par rapport à ce dernier point, le pays assiste à une persistance d'attaques de groupes armés non étatiques dans la région de Tilaberi, dite zone des trois frontières, dans la région de Tawa, frontalière avec le Mali, dans la de Difa, frontalière du Tchad et du Nigeria, mais aussi dans la région de Maradi. En mars 2021, selon les chiffres officiels annoncés par le gouvernement, plus de 200 personnes avaient été tuées en seulement une semaine dans différentes attaques perpétrées par des groupes armés non étatiques et des bandits armés. Quelle appréciation font les organisations des jeunes, des femmes et du monde rural de cette situation sécuritaire au Niger? Quel rôle peuvent-elles jouer pour contribuer au renforcement de la paix et de la cohésion sociale dans ce contexte d'insécurité au Niger Pour euh, en débattre, nous avons le plaisir de recevoir euh, comme invité M. Mouramodou Bello. Il est coordonnateur euh, de l'ONG Forum des acteurs pour la défense et la promotion des droits économiques, sociaux et culturel Fodadesc. Il est par ailleurs euh, membre de l'association pour euh, la redynamisation de l'élevage euh, au Niger à Rennes. Monsieur le coordinateur, bonsoir. Bonsoir. Notre deuxième invité est Monsieur Ouzeru Maman président de l'Association nigérienne des jeunes unis pour le développement en Jude. Bonsoir, Président. Nous avons comme troisième invité M. Abdul Abbas. Euh, il est membre de l'ONG Dialogue pour la paix. Bonsoir, euh, M. Abdul Abbas. Et en ligne au téléphone, nous avons un représentant de la haute autorité à la consolidation de la paix. Il s'agit de M. Mohamed Iwenge. Il est conseiller technique à la haute autorité à la consolidation de la paix, HACP. Monsieur le conseiller technique, bonsoir. Bonsoir. À la modération de ce forum, je suis Michel Deji. Avant d'entrer dans le vif euh, du sujet, écoutons le président de l'Association des Jeunes Unis pour le Développement en Jude, Ouzeiro Maman Amadou, ici présent. Une association qui organise des conférences publiques hebdomadaires sur diverses thématiques, dont celles en lien avec la paix, le développement, mais aussi l'éducation citoyenne. Un extrait de cet entretien avec le président de l'Anjude, Ouzeiro Maman Amadou. En effet, l'objectif général de ces conférences débats que nous organisons, il s'agit de mener une série de conférences débats afin de contribuer au changement de mentalité de la population, notamment les jeunes et les femmes, à adopter un changement et un comportement civique et citoyen pour apporter leur contribution au développement durable du Niger, à la paix, à la sécurité et à la stabilité sociale. Donc, euh, ce sont euh, des activités que nous prévoyons de faire euh, sur toute la période de 2023, euh, tous les samedis, on identifie une thématique parce que nous avons estimé que la constance dans la régularité permet vraiment d'atteindre l'objectif. C'est quoi la constance C'est-à-dire le fait d'organiser régulièrement tous les samedis sur une période de un an. Nous pensons que en faisant euh, des thématiques, ça va beaucoup contribuer à l'objectif que nous sommes en train de rechercher, qui est celui de changement de comportement, et euh, à adopter un comportement civique et citoyen euh, au niveau de la population jeune du Niger vous parlez de changement de comportement. Mhm. Est-ce à dire que vous avez constaté dans la société des comportements qui ne vont pas dans le sens euh, d'une bonne promotion de l'éducation citoyenne, la promotion de la paix que vous visez à travers ces différentes euh, conférences Oui, tout à fait. Vous n'êtes pas sans le savoir que notre pays, en ces, derniers temps, est exposé à beaucoup de fléaux tels que euh, la corruption, l'insécurité, donc euh, qui amène notre la, population à se poser beaucoup de questions sur euh, ce que nous sommes en train de, vivre. Donc, euh, en ce qui concerne les difficultés que nous, avons constatées au sein de la société du point de vue citoyenneté, par exemple, dans, en pleine circulation, vous allez constater que quelqu'un, il prend son jus, sa canette de jus, il prend son son pirouata, ou bien il consomme quelque chose dans son véhicule, il prend de la banane et il jette. C'est un acte d'incivisme. Donc ce sont ces types de comportements que nous voulons amener la population eh, à changer de comportement. Et nous pensons que comme l'État du Niger, à travers eh, la ville, les, différentes villes, eh, les différentes mairies, est en train de mener des campagnes, de, des, campagnes sur... Euh, euh, l'assainissement euh, des villes, nous pensons en apportant notre contribution dans ce sens, ça va amener euh, le changement et ça va diminuer les saletés au sein des, des villes du Niger. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres comportements qu'il y a lieu de changer pour euh, aller dans le sens de cette promotion de l'éducation citoyenne, la promotion de la paix et la sécurité au Niger Tout à fait. Il y a des comportements. Euh, vous allez constater que les jeunes aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas d'emploi, parce qu'ils n'ont pas d'occupation, euh, ils s'adonnent à des pratiques. Vous allez constater dans la société aujourd'hui des gens qui circulent en moto, qui agressent les paisibles citoyens, qui agressent la population qui leur arrachent des, biens, euh, ça peut être des téléphones portables, qui arrachent des sacs à main des femmes. Donc souvent, vous allez, même chez vous, vous n'êtes pas en sécurité parce que en dormant, il y a quelqu'un qui est là qui va escalader votre mur pour euh, euh, déranger votre tranquillité. Donc, ce sont tous, toutes ces, tous ces comportements, c'était des valeurs que nous avons dans le passé que nous avons perdues. Qu'est-ce qui a fait que ces valeurs, nous les avons perdues pourquoi ce comportement est en train d'arriver. Donc pour que nous puissions euh, changer euh, ces comportements, il faudrait qu'on organise ces conférences pour qu'on en discute. La population, elle est là et il y a un conférencier qui maîtrise le domaine. Donc on va peser le pour et le contre. On va discuter autour de, de la thématique pour situer les différentes responsabilités des uns et des autres. Et toutes ces conférences, à la fin, nous élaborons des recommandations que nous envoyons au niveau des autorités pour une, une possibilité de prise en compte dans les programmes et projets de l'État. Une fois de plus, euh, bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans ce forum euh, qui a pour thème comment renforcer la paix et la cohésion sociale dans les localités impactées par l'insécurité au Niger. Nous allons commencer par euh, le représentant de la haute autorité à la consolidation de la paix qui est avec nous au téléphone, Monsieur Mohamed. Euh, d'abord, quelle appréhension avez-vous de cette insécurité ambiante euh, qui persiste dans le Sahel depuis plusieurs années C'est un plaisir de vous retrouver, même si je suis ami pour discuter de ce thème combien délicat et concerne donc la cohésion sociale et la paix. Euh, le Niger, comme vous le savez, avait fait face euh, au début des années 90 à une série d'insurrections armées, des insurrections euh, armées contre l'État du Niger étaient animées par des Nigériens. Et finalement, donc, on a conduit un processus en trois étapes. Donc, d'abord, les négociations de la paix, qui euh, de 1992 à 1997. Ensuite, donc, euh, une fois que la paix a été signée, donc en 1995, tout le monde se rappelle du 24 avril 1995, quand donc le gouvernement du Niger, euh, les pays médiateurs et la résistance armée ont signé les accords de paix de 1995 à Néné. Euh, qui mettait fin donc à, au processus de négociation euh, formelle qui a commencé en 1992 à Alger, puis Paris, ensuite euh, Ouagadougou en 1992. Donc la conclusion, c'était le 24 avril 1995 uh-huh. Et cette journée a été consacrée journée de la concorde nationale. Célébrée le 24 avril de chaque année, ça c'était par rapport euh, aux différentes périodes de rébellion que nous avons connues. Mais actuellement, avec la situation des attaques euh, par des groupes euh, armés non étatiques, euh, vous êtes en contact avec les populations. Comment les populations ressentent ces différentes agressions, on va dire Donc aujourd'hui, ce à quoi nous faisons face, ce sont des menaces qui nous viennent de l'extérieur. Les phénomènes d'insurrection et de soulèvement à l'intérieur ont été plus ou moins résolus par l'application des accords de paix continue. Elle est continue. Nous sommes aujourd'hui à la phase de la consolidation de la paix, qui elle-même, par la force des choses, on est aujourd'hui à la, à la phase de stabilisation. Parce que les phénomènes que vous décrivez comme une instabilité, c'est en fait, comme une insécurité, c'est en fait une instabilité. Donc aujourd'hui, le Niger est dans une phase de stabilisation pour faire face à toutes ces menaces dont vous parlez qui euh, visiblement sont constitués de ces attaques de groupes armés terroristes oh. euh, le long des pourtours frontaliers du Niger, comme vous l'avez décrit dans votre, introduction. Euh, mm. introduction Merci à vous, Monsieur Mohamed Zidane, représentant de la haute autorité à la consolidation de la paix. Monsieur Mourou Amadou Bello, coordonnateur de l'ONG Foudadesque, à votre niveau, quels sont selon vous les enjeux de la paix et de la cohésion sociale au Niger, compte tenu de la situation que nous vivons en ce moment. Merci bien. Donc, euh, je pense que les enjeux euh, sont connus de tous. Aujourd'hui, il y a l'enjeu sécuritaire, euh, comme vous venez de le dire dans votre introduction. C'est un enjeu qui affecte même l'instabilité ou même euh, l'existence de nos États. Mm. Ça, c'est euh, un des enjeux. Le deuxième enjeu, c'est que euh, cette insécurité affecte la coexistence pacifique de nos communautés nationales. le troisième, à mon avis, c'est l'un des plus importants. Il affecte toute la vie socio-économique dans le monde rural. Pour ce faire, je pense que le débat doit se focaliser sur ce que nous pouvons faire en tant que citoyens d'un pays ou en tant que citoyens de l'espace Sahel mhm. pour euh, endiguer ces phénomènes. Parce que vous savez, le Niger euh, fait partie d'un ensemble euh, que nous appelons géographiquement le Sahel, qu'on appelle euh, de façon politico-militaire les trois frontières. Ça, c'est pour la région qui concerne le Mali, le, Burkina. Et le Mali, le Burkina et le Niger. Mhm. pour les zones du, du lac Tchad, je le rappelle, toutes ces zones sont des zones endémiques quand même euh, de l'insécurité. Parce que euh, nous, citoyens de ces espaces-là, on doit se dire que cette situation n'est pas née d'aujourd'hui. Mais comment en est-on arrivé là, justement Il j'ai rappelé un peu la situation. Mm-hmm. Mais est-ce que vous, la trouvez un lien avec... Euh, oui, bien sûr, il y a un lien, parce que le mouvement, dont tu, dont tu parlais des années 90, jusqu'à à la conférence, jusqu'aux signatures des accords, ça, c'est des mouvements qui ont affecté le nord du pays. Mhm. je suis tout à fait d'accord qu'il y a une cause à ce niveau parce que la situation qu'il était en train de décrire était quand même une situation qui est née depuis les années 1974, mhm. qui a évolué à rébellion Touareg, ce que nous connaissons et nous avons tous suivi malgré notre jeune âge. Et cette situation a été maîtrisée avec les accords de paix. Mhm. Mais il y a tout au sud du pays euh, d'autres situations qui ont existé, qui existent aujourd'hui, qui ont été exacerbées avec euh, euh, le développement de la, la croissance démographique, la compétition accrue sur les ressources naturelles des différents acteurs et aussi avec la démocratisation de nos États qui, au lieu de renforcer la, construction de nations a un peu euh, commencé à effriter euh, nos communautés nationales. Et autre chose euh, en termes de cause, c'est qu'il y a une défaillance au niveau de la gouvernance de manière générale, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau décentralisé, que ce soit au niveau des fondamentaux même de notre communauté, notamment les, autorités coutumières, euh, les leaders d'opinion, il y a aujourd'hui une défaillance au niveau de, euh, de la gouvernance. Nous avons aussi une faiblesse des valeurs sociétales euh, que nous connaissons de façon ancestrale. Nous avons la manière que nous avons hérité de nos grands-pères pour résoudre nos problèmes pour regarder comment est-ce que euh, nous pouvons cohabiter ensemble et que euh, pour faire régner l'équité et la justice sociale, il y a l'effondrement de ces valeurs-là. Donc, tous ces facteurs conjugués à, la géopolitique euh, sous-régionale et internationale a fini par nous mettre dans une situation un peu difficile. Hein. est-ce que vous avez, vous qui êtes en contact avec les populations sur le terrain en tant que président de l'ANJUD, d'autres causes à cette euh, situation d'insécurité que nous vivons en ce moment Il n'y a pas que le terrorisme, il y a également des bandits armés qui attaquent. Euh. Très bien, merci euh, de l'occasion que vous m'offrez pour pouvoir nous exprimer par rapport à cette question d'insécurité. en tant que jeune, euh, nous sommes, euh, nous sommes mobilisés euh, autour de la jeunesse à pouvoir lutter contre ce, phénomène. Hmm. Mais en amont, il y a quelque chose qu'il faut qu'on nous relevons. Est-ce que tout le monde est d'accord pour en finir avec cette insécurité hmm. Tout le monde, cest à Tout le monde, tous les acteurs impliqués, hmm. que ce soit la jeunesse, que ce soit l'État, les partenaires, tous ceux qui sont en train de lutter contre cette insécurité, est-ce qu'ils sont prêts à lutter contre cette insécurité Si oui, nous les invitons en tant que jeunes à venir nous rejoindre ici maintenant et tout de suite pour aller trouver des solutions à ce problème. Parce que nous, en tant que jeunes, nous nous disons que... Mais c'est quoi le problème justement à ce niveau Ce qui est à la base, quand vous remarquez, la plupart des terroristes de ceux qui sont en train de mourir dans le camp des terroristes sont des jeunes. Hmm. Et ces jeunes sont exposés à plusieurs problèmes socio-économiques de la vie, hmm. notamment la pauvreté, le manque d'emploi et plusieurs fléaux, plusieurs mots qui les empêchent d'avancer. Hmm. Et facilement, les jeunes, tant qu'ils n'ont pas un minimum, un petit moyen de subsistance, il est une proie à toutes sortes de tentations. C'est pourquoi nous disons, si tous les acteurs sont engagés, ils sont déterminés à porter, à lutter contre ce fléau, c'est de se mobiliser pour attaquer le problème en amont. Mmh. Et le problème en amont, c'est le problème de la jeunesse. Mmh. Il faudrait à ces jeunes-là qu'on trouve des occupations à partir des grandes villes jusqu'à dans les zones les plus reculées. Mmh. Pour renforcer la cohésion sociale, nous, par exemple, à l'association Anjou, nous nous réunissions avec des organisations de jeunesse pour mener, en fonction de nos moyens, des petites activités pour amener cette jeunesse-là, qui est une proie à ces, à ces groupes terroristes, à les ramener à la raison à travers notamment des actions euh, de sensibilisation, des actions, de manifestations culturelles euh, tout récemment, on était euh, dans la région de Tilaberi, dans trois localités euh, de la région de Tilaberi, où on a mené des actions, un week-end communautaire. Pendant ce week-end communautaire, on a organisé des conférences débats, notamment dans le conflit entre les agriculteurs et éleveurs, parce qu'il faut se dire que le problème, il est à tous les niveaux. Mmh. Donc, il faut le stopper avant qu'il ne soit généralisé. Il faut souvent, quand vous prenez dans la zone de Tilaveri, il y a des zones qui sont déjà exposées. Donc nous, on a essayé d'attaquer le problème en amont. Et euh, à travers euh, les localités que je vous ai, je vous ai dit tantôt, mmh. euh, Kolo, Ndunga et Hamdelay, où on a été avec la jeunesse des agriculteurs et des éleveurs, mmh. on a fait un tournoi de football dans la cohésion sociale pour renforcer la cohésion sociale, vous n'êtes pas sans le savoir que dans ce milieu, il y a souvent des petits conflits qui sont là entre les agriculteurs et les éleveurs. mais il n'y a pas que ce problème. Nous avons également des jeunes qui prennent des armes contre leur pays. Oui, tout à fait. en fait, je vais, je vais en venir à cela. Je vais en Parce qu'on a constaté que on est en train d'indexer une certaine euh, ethnie mhm. par rapport à ces attaques. Donc, nous, c'est d'attaquer le problème en amont, faire en sorte qu'il y ait d'abord la cohésion, avant même que ces gens-là soient des proies à ces groupes terroristes. Parce que c'est eux, tant que le problème n'a pas été, euh, tant qu'on n'a pas discuté de ce problème avec ceux qui n'ont pas été exposés à ça, quand le problème va arriver, obligatoirement, ils seront, parce qu'ils n'ont pas été sensibilisés en amont. Mmh. Ceux qui l'ont déjà fait, Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut que la jeunesse elle-même puisse aller vers les populations, les jeunes, discuter avec eux, les amener à comprendre que prendre une arme contre votre pays, ce n'est pas la solution. Mmh. Et de l'autre côté, nous, en tant que jeunes, nous sommes en train de faire notre part de responsabilité parce que nous sommes toujours avec les jeunes. Avec nos peu de moyens que nous avons, on va toujours au niveau de la jeunesse, on discute avec eux, on, fait en sorte que ce que nous leur disons, qu'ils puissent le partager avec d'autres qui n'ont pas pu participer à ce que nous faisons comme action de sensibilisation. Mhm. Donc il faudrait que tous les partenaires, que je le dis et je le répète, si les gens réellement veulent qu'on finisse avec ce problème, c'est pas en faisant des débats tous les jours qu'on va finir définitivement avec ce problème. Il faudrait qu'on se réunisse tous ensemble, tous les acteurs, qu'ils soient les jeunes, les partenaires, l'État, qu'on se réunisse tous ensemble. Nous, ce que nous disons à la Il y a eu déjà plusieurs forums euh, sur la paix, euh, dans les zones en tout cas affectées. dans les zones affectées. Mais est-ce que, mais mhm. est -ce que ces forums-là ont donné un impact il y a eu souvent des recommandations. Oui, les recommandations sont remontées au niveau des autorités. Est-ce que l'impact est là Ça a empêché qu'il y ait d'autres attaques mhm. Non. Mais dans ce cas, il faudrait qu'on aille tous sur le terrain et qu'on enlève l'esprit, qu'on ait un esprit patriotique et citoyen, tous ensemble, que nous puissions aller tous regarder vers la même vision. Qu'on enlève cette histoire de politisation, qu'on enlève cette histoire d'ethnocentrisme, qu'on se dise que nous avons un problème qui est en face de nous, que nous puissions tous aller ensemble le combattre. Mmh. Maintenant, quand il y aura la paix et la tranquillité, c'est en ce moment que nous allons revenir discuter de nos problèmes internes. Puisque pour le moment, le plus grand problème que nous avons dans notre population, dans notre pays, c'est le problème d'insécurité. Ça veut dire qu'il faut continuer les efforts allant dans le sens du renforcement du dialogue, c'est ça Du renforcement du dialogue. Et des sensibilisations. Et aller sur le terrain pour On le vous a bien compris. Merci beaucoup, Monsieur Abdul Abbas, euh, membre de l'ONG Dialogue euh, pour la paix. Après tout ce qui a été dit, selon vous, quels sont les grands défis qui se posent euh, au Niger en ce moment dans le cadre de la promotion de la paix et la lutte contre l'insécurité. Merci beaucoup. Les grands défi, c'est le retour à la paix, ça c'est indéniable, mais j'ai relativisé... Comment obtenir euh, ce retour à la paix Oui, en euh, fait, euh, la lutte contre cette insécurité, elle est multidimensionnelle, elle est holistique mais elle est essentiellement orientée sur ou centrée sur l'individu. Mm. Mais je voudrais relativiser que ce n'est pas parce qu'on est pauvre nécessairement et bon, qu'on s'enrôle quoi, dans la radicalisation et mm. l'extrémisme violent. C'est extrêmement important. Les des jeunes pas, c'est pas une raison. pas suffisant. Je pense qu'il y a des études euh, dans ce sens-là mhm. qui ont été déjà euh, mhm. commanditées par le Centre national d'études stratégiques et de sécurité, menées par lui-même. Euh, déjà pour interroger un peu sur les facteurs de radicalisation des jeunes, mhm dans les zones cibles, que ce soit à Difa, à Tilaberi, à Zander, à Tawa. À l'évidence, c'est vrai que quelque part, euh, les résultats disent oui, à des jeunes qui se radicalisent parce qu'ils sont pauvres. Mais quand on voit un peu à Difa, par exemple, c'est l'insécurité qui a amené la pauvreté. Vous voyez, et c'est un peu aussi et la même chose à Tilaberi. Profondément, moi, je connais beaucoup sont devenus pauvres du fait. Maintenant, des mesures, par exemple, des faits de des mesures d'état d'urgence qu'on a mises euh, pour, euh, du temps lutter contre l'insécurité. Donc, vous voyez, c'est un peu à relativiser, mais en revanche, il y a d'autres facteurs évidemment euh, qui ont concouru à l'élisement de l'insécurité. Euh, il y a déjà la question de l'identitarisation un peu de l'insécurité. Ce n'est pas intéressant qu'à un moment on puisse dire c'est tel ou tel euh, euh, euh, oui, qui fait ça, en fait, ça amène les gens à se radicaliser. Au mm. début, les gens n'étaient pas comme ça parce que, en fait, comme l'a dit le représentant de la haute autorité à la consolidation de la paix, les facteurs ou les acteurs de l'insécurité aujourd'hui du Niger ne sont pas des Nigériens, en fait, c'est mm. des acteurs internationaux, mm. disons étrangers. On voit bien, c'est l'État islamique au Grand Sahara qui recrute. oui, ils ont, ne manquent pas des sympathisants mm-hmm. locaux, ils ne manquent pas, mais c'est marginal, quoi. Si mm-hmm. vous, si vous regardez un peu euh, ce qui se passe. Voilà, au niveau des pays voisins, vous avez des groupes de leaders locaux charismatiques qui sont influents, qui ont une capacité de persuasion auprès de qui les gens s'identifient et puis ils s'arment, euh, voilà, ils prennent les ressources aussi, c'est extrêmement important. Mhm. Et ça, c'est, on le voit à l'extérieur, hors du Niger, et on voit un peu le tourisme international avec la décapitation, si vous voulez, de l'État islamique euh, euh au Moyen-Orient, et qui a progressivement apparemment pris le soin de venir au Sahel aussi, mhm. parce que quand tout à l'heure vous parlez aussi des enjeux géopolitiques, c'est important. Le Sahel est en train de devenir le cœur de la géopolitique mondiale, le nouveau cœur de la géopolitique mondiale. Donc, vous avez un terrorisme international, vous avez eh, des, puissances internationales étrangères qui, qui autour du Sahel et principalement au Niger, qui reste une sorte euh, de virus stratégique pour toutes ces puissances-là qui veulent contrôler le Sahel. On sait certaines sont chassées du Sahel, mais elles restent au Niger parce que le Niger, c'est la zone, le Niger, c'est la zone pivot quand vous contrôlez le Niger, vous pouvez contrôler le reste du, du Sahel. Et donc, c'est un peu ça qui rend, qui rend complexe la problématique de la sécurisation aujourd'hui de notre Sahel. Il y a plusieurs enjeux, il y a plusieurs défis, il y a plusieurs facteurs. Et l'autre question importante, je pense que euh, depuis tout ce temps, on manque de diagnostics. Et on a toujours pensé que c'est la question du, euh, chômage des jeunes, et voilà, qui, soit à la base. Mais en fait, c'est un problème extrêmement important. Et, la question des changements climatiques aujourd'hui a eu un impact sérieux sur euh, la question du pastoralisme que ce soit sur euh, les espaces de pâturage, mais aussi sur les espaces de culture, même si quelque part la démographie peut, être en jeu quand on prend le cas des maladies aussi. Donc, il y a des facteurs aujourd'hui qu'on n'a pas pris en compte dans les diagnostics de ce qui a amené l'insécurité et ce qui fait que euh, le traitement n'est que symptomatique parce qu'il ne tient pas compte euh, des, véritables facteurs. On n'est pas en train de traiter les choses à la base. Donc, et c'est comme les conséquences qu'on est en train de traiter. Aujourd'hui, quelles sont les attentes de ces populations affectées par l'insécurité Oui, les attentes, les attentes, c'est très vaste parce que, par exemple, pour ceux qui vivent les mesures d'état d'urgence, leur attente <laughs> immédiate, c'est de voir un peu alléger les mesures d'état d'urgence là mhm. pour, pour les permettre de réaliser des petites économies locales. Par exemple, à Tirabéry, comme je le disais. Cela peut contribuer à avoir euh, la sécurité. Oui, parce mais que si on est d'accord. Le euh, gouvernement explique que chaque fois, ils examinent à leur niveau et ça passe à l'Assemblée nationale pour les prorogations. Donc, ça veut dire que c'est quand la communauté a intérêt mm, que mm, le gouvernement. Mm. Non, en euh, fait, en fait cette, les mesures, les mesures, je bon, j'ai pas, mais je, ne me révèle pas, en fait. Mais les mesures, quelque part, n'ont pas en fait été, disons, n'ont pas eu l'assentiment des populations. quoi. C'est un mhm. peu ça. Mhm. et Il y a eu le drame de Bani Bongo comprenez, où mhm. un moment, il y a même un maire qui s'est enrôlé, et il a pris les devants pour aller combattre l'insécurité. En fait, ça là, c'est parce que quelque part, on a conseillé les populations entre l'insécurité et la lutte contre l'insécurité. Il y a des femmes de l'Ever fabriquent le fromage, il n'y a pas de marché proche pour le couler. Par exemple, à Bani Bangou, le marché le plus proche, c'est 150 km. Ces populations-là, c'est pas l'immédiat, c'est comment est-ce qu'on va ramener la vie. Comment est-ce qu'on peut alléger ces mesures d'état d'urgence-là Comment est-ce qu'on peut permettre à une moto d'évacuer une femme en état de travail oh. rapidement à, à Baleyara, à Walam C'est comme ça que les gens veulent. En fait, c'est un peu ça que les gens veulent. À Difa, maintenant, la vie, la vie reprend. Puisqu'on a, on permet aux gens maintenant de faire la culture du poisson. Et du poivron, de faire de la pêche sur le, lac. Donc, la vie est en train de revenir à Diffa. Et je pense que c'est ce que les gens veulent, les populations aujourd'hui affectées veulent. Et c'est aussi ça que les, populations de Tilaberi veulent. Il faut qu'on voit, dans quelle mesure on peut eh, alléger les, mesures relatives, par exemple, à l'interdiction des motos qui a vu complètement effondrer une petite économie, une chaîne, toute une chaîne. Il n'y a plus de cabo il y a les les, les, vulganisateurs, les vendeurs de pièces détachées qui sont tous, tous liés en fait euh, aux activités des, cabo Cabo. Kabu Kabu. Donc du coup, il y a plus ça. Il y a beaucoup de, choses. La question de l'école aussi, c'est un problème à Tilabéry. Il y a, il y a, des milliers d'élèves mhm. qui sont restés en 2022 sans classe. Et ils sont potentiellement, et voilà, des candidats combattants mhm. pour les groupes extrémistes les radicaux. sont donc euh, immenses, on vous a bien compris. Nous allons justement continuer pour voir euh, comment les organisations de la société civile peuvent contribuer à améliorer cette euh, situation sécuritaire euh, sur l'ensemble du pays. Selon d'ailleurs le Bureau des Nations Unies en charge de la lutte contre le terrorisme, les jeunes sont la cible tant du recrutement et de la radicalisation au sein d'organisations extrémistes violentes que des attentats terroristes. Monsieur Mohamed conseiller technique à la haute autorité à la consolidation de la paix. Quelles sont les attitudes euh, à promouvoir pour euh, réussir euh, à asseoir une bonne sécurité sur l'ensemble du territoire national Je me réjouis que le diagnostic est bien connu. La cohésion sociale et le bon vivre ensemble sont les armes principales par lesquelles on peut combattre mhm. euh, cette entreprise qui déstabilise le monde entier. Le, Sahel euh, fait partie du monde, comme l'a expliqué l'un des derniers intervenants. Mhm. Le Sahel est au centre de, beaucoup de, de dangers géostratégiques et géopolitiques donc euh, à une échelle mondiale. Donc nous, au niveau local et au niveau régional, tout ce que nous avons euh, pour, pour, pour, pour, nous défendre et résister à, cette instabilité. C'est notre cause sociale, notre bon vivre ensemble. Mm-hmm. Donc, euh, que les terrains, les terrains commandent, comme, comme on dit. Mm-hmm. Donc, je ne vais pas revenir euh, sur, sur, les attitudes qui sont attendues d'un citoyen, c'est d'abord le patriotisme et aimer son pays. Mm-hmm. Donc, il y en a d'autres qui s'insurgent contre le système ou qui profitent d'une entreprise internationale pour, pour, pour, pour, pour pour s'impliquer ou être, se laisser embrigader. Mhm. C'est des choses qui arrivent dans un pays, mais ce n'est pas une raison pour que l'ensemble des, Nigériens euh, les, rejette. Donc les canaux du dialogue sont euh, ouverts parce que nous avons des communautés nationales qui ont été embrigadées dans ces entreprises internationales. Donc il faut garder les canaux du dialogue ouverts, il faut que les communautés euh, nationales se, mettent toutes ensemble, pour continuer à cultiver notre unité euh, en se basant sur, euh, nos mécanismes autochtones et, traditionnels qui existent depuis toujours. Mhm. Donc la République du Niger, quand elle a été euh, proclamée en 1958, elle a été proclamée sur un espace qui a une histoire, sur, des communautés qui, qui, vivent ensemble depuis des millénaires. Donc ce capital, il est là. Il faut juste le mobiliser, il ne faut pas se laisser déstabiliser, il faut rester fort. L'État du Niger fait face, il a fait ce qu'il faut pour faire face ce qui concerne le côté institutionnel. Donc, toutes les institutions sont mobilisées. Est-ce qu'il y a un travail à faire pour mettre particulièrement la jeunesse à l'abri il, il, est quotidien, de mhm. travail. quotidien. on, ne réinvente pas la, roue. les jeunes font partie de la société. La société, c'est un ensemble. Il ne faut mhm. pas la compartimenter ou la fractionner. Les jeunes, les femmes, j'entends souvent ces discours. C'est des discours qui ne sont pas bons pour la cause nationale. Les discours vindicatifs, moi jeunes, moins femmes, non. Nous sommes euh, une nation. Et une nation doit marcher ensemble, surtout pour faire face à une menace extérieure. Ce pas, ça, le président de Jude a expliqué que c'est parce que les jeunes ont des problèmes, on ne prend parfois pas en compte leurs problèmes. Ce sont des récriminations qui reviennent souvent, qui sont trop classiques. J'ai dit quest ce que, en ce moment précis où le Niger est en guerre, hum. c'est le moment de poser ce de, revendications sont très, euh, euh, qui sont syndicalistes c'est une approche syndicaliste, c'est des mm. revendications. Mm. Les jeunes, ils ont plutôt des devoirs. C'est plutôt eux qui doivent se lever. Parce que c'est eux qui ont, la force nécessaire pour se lever, pour défendre la patrie. Donc la patrie, elle est, nous sommes à son chevet. Donc nous allons tous marcher ensemble sous le drapeau national pour défendre. Mais si on vous a bien compris, il faut donc chercher à savoir ce qu'on peut faire euh, pour sauver la République en ce moment et non pas se mettre à énumérer des doléances ou des revendications il faut avoir la paix, asseoir la paix. C'est ça. Monsieur mhm. Bello a bien résumé la mm. situation. Monsieur Bello de la Reine, mais également je rappelle que vous êtes euh, le coordonnateur euh, de Fodadesk. Comment inculquer ces valeurs euh, à l'ensemble de la population pour qu'on puisse avoir véritablement un Niger euh, de paix. Et puisqu'on dit sans paix, on ne peut pas avoir de prospérité rapidement pour terminer. Merci bien. Je remercie le conseiller. Ce qu'il vient de dire est assez pertinent. Euh, je continue là-dessus. Ce que euh, il faut qu'on révalorise nos valeurs fondamentales qui constituent le socle de notre communauté nationale cette communauté nationale, euh, les, réflexions que les gens font basées sur le réflexe identitaire doivent être abandonnées. Mm. Les entreprises ne peuvent recruter des locaux que là où ils sont. Et les zones pastorales sont les zones les plus où, la présence de l'État ne se faisait pas sentir et c'est devenu vraiment euh, des zones favorables pour l'installation de certaines entreprises. Mm. Je pense que euh, plus ils progressent vers le sud, plus ils vont aussi recruter dans les autres communautés nationales. Donc, pour ce fait, il va falloir que nous, on constitue un, socle social et politique dynamique qui ne permettrait pas une faille mm. euh, exploitable par d'autres forces. Deuxièmement, c'est que dans quoi nous sommes comme l'a dit le conseiller, euh, euh, mon, mon, ami Abbas, euh, en fait, la solution est multidimensionnelle. Ça dépend dans quoi nous sommes. Est-ce que nous sommes dans l'urgence Est-ce que nous sommes dans l'humanitaire Est-ce que nous sommes dans le développement C'est le terrain qui commande, comme quelqu'un l'a si bien dit. Donc les solutions viennent de là. Est-ce que avant, avant de penser à autre chose, quelqu'un, il est dans l'urgence et alors, il faut faire face à l'urgence. Quelqu'un, il est dans l'humanitaire. Il mm. faut faire face à l'humanitaire. Et un, autre besoin, mm. c'est le besoin politique. Il faut que, au niveau politique, qu'il y ait vraiment une volonté et, euh, d'union et d'action d'ensemble de toute la communauté nationale. Il faut un leadership Il faut une synergie d'efforts à tous les niveaux avec un engagement politique assez fort. On vous a bien compris. Et fidèles auditeurs et téléspectateurs, nous sommes au terme de ce forum. Fidèles auditeurs et téléspectateurs des 52 radios et des 7 télévisions partenaires du studio Kalangu, nous sommes au terme du forum de ce soir et un pour thème comment renforcer la paix et la cohésion sociale dans les localités impactées par l'insécurité au Niger. Nous retenons que nos invités s'accordent à demander une poursuite des efforts à tous les niveaux en vue d'un renforcement de la cohésion sociale et une bonne promotion de la paix en cette période où des attaques terroristes des groupes armés non étatiques et des bandits armés sont encore enregistrés dans le Sahel. Ils souhaitent de ce fait donc que chacun soit impliqué. C'est un appel au patriotisme qui a été lancé. L'heure ne doit pas être aux revendications, estime le représentant de la haute autorité à la consolidation de la paix, Mohamed Zeidan. Et c'est ici que se referme ce forum. Nous disons merci à nos invités. Monsieur Moro Amadou Bello, coordonnateur de l'ONG Forum des acteurs pour la défense et la promotion des droits économiques, sociaux et culturels FODADEX, également membre de l'Association pour la redynamisation de l'élevage au Niger, AREN. Monsieur Ozeirou Mamman Amadou, président de l'Association nigérienne des jeunes unis pour le développement en Juda. Monsieur Abdul Abbas, membre de l'ONG Dialogue pour la paix. Et au téléphone, Mohamed Ewenge, conseiller technique de la haute autorité à la consolidation de la paix HACP qu'il a représenté à ce forum. À la modération, je suis Michel Deji, l'équipe technique composée de Issa Loli et Mustapha Yuba. Merci de nous avoir suivis. Agréable soirée à toutes et à tous et au revoir.